Fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires euh, du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir, notre rendez-vous pour euh, décrypter l'actualité de la semaine. Au menu de ce vendredi 17 juin 2022, nous parlerons d'abord de l'interpellation mardi à l'Assemblée nationale du ministre en charge de l'éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, sur la question des écoles fermées au Niger pour cause d'insécurité. Ensuite, euh, nous aborderons le sujet sur euh, le Forum national euh, sur la lutte contre les feux de brousse au Niger, organisé les 13 et 14 juin dernier à Niamey. Aussi, nous parlerons du rapatriement de 500 mandiens nigériens du Ghana, dont le premier vol spécial a atterri à Niamey le 8 juin dernier. Nous terminerons ce forum de la presse avec la victoire de l'athlète nigérienne Amine Seini qui a remporté dimanche la médaille d'or sur les 200 mètres au 22e championnat d'Afrique d'athlétisme qui s'est déroulé du 8 au 12 juin à île Maurice. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ousmane euh, Sidekou, il est journaliste euh, indépendant. Kiari Arimi, journaliste euh, à la radio alternative, et Maimoune Gado, journaliste indépendante également, à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji. Nous débutons le forum de la presse de ce soir par l'interpellation mardi à l'Assemblée nationale du ministre de l'Éducation nationale sur la question des écoles fermées au Niger pour cause d'insécurité. À l'initiative d'un député auteur de cette interpellation, les députés ont souhaité avoir des explications de l'exécutif sur le nombre d'écoles fermées les élèves et enseignants touchés ainsi que les dispositions prises par le gouvernement pour garantir le droit à l'éducation dans les zones d'insécurité au Niger. Selon professeur Ibrahim Natatou, ministre de l'Éducation nationale, à la date du 5 mai 2022, ce sont environ 68 000 élèves, dont près de la moitié représentent les filles qui sont touchées par cette fermeture des écoles. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention face aux parlementaires. Très malheureusement, ces violences terroristes ciblent indistinctement les symboles de l'État, dont nos institutions éducatives que sont les écoles. C'est ainsi que selon la dernière situation compilée par mes services centraux à partir de données remontées des régions en date de 5 mai 2022, sur 22 997 écoles que connaît le Niger, 780 11 écoles sont fermées dans les quatre régions affectées par l'insécurité. Ces écoles fermées comprennent 759 écoles primaires, 32 établissements d'enseignement secondaire. La répartition de ces écoles par région se présente comme suit. Kilaberi, 720 écoles fermées, Tawa, 33 écoles fermées, Gifa, 27 écoles fermées, Maradi, 11 écoles fermées. Quelle euh, analyse euh, vous suscite euh, ces chiffres par rapport à toutes ces écoles fermées dans les zones d'insécurité au Niger Le ministre a parlé de quatre régions. Il s'agit des régions de Tilaberi, Difa, Maradi, mais également la région de Tawa. ce que je peux dire par rapport à l'intervention du ministre de l'Éducation nationale devant les parlementaires, c'est que d'abord, il faut euh, féliciter euh, ce député mm. qui a quand même euh, demandé ce que le ministre soit devant le Parlement pour mm-hmm. pouvoir expliquer certaines choses sur l'insécurité et la fermeture de ces écoles. Quand on regarde le nombre qui, a été en tout cas rappelé par le ministre en ce qui concerne les écoles qui ont été fermées, mm-hmm c'est surtout la région du Tilabiri qui est la plus touchée. La plus touchée mhm. Parce que euh, sur les 700 mhm. euh, Près, de 800 écoles près, de 800 écoles fermées. Avec pour euh, nombre d'élèves plus de 68 000. La région de mhm. Tilabiri se retrouve avec 700 et quelques à elle seule. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un problème. Ça veut dire que maintenant, le problème est posé. Tout le monde sait déjà le problème. Hum. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour que ces écoles et ces élèves qui sont aujourd'hui dans la rue puissent retourner à l'école Comment est-ce qu'il faut les sécuriser Comment est-ce qu'il faut sécuriser ces enseignants hum. C'est ça la grosse question. Et je pense que en, l'écoutant, il a quand même essayé de défendre l'indéfendable, essayer hum. essayé de dire euh, les stratégies que euh, l'État voudrait bien, en tout cas, euh, prendre les mesures d'accompagnement. À l'heure actuelle, vous ne croyez pas à ces mesures quand vous dites qu'il essaye de défendre Oui, on ne peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas croire, mhm. mais il faut faire quelque chose, euh, quelque chose de, concret, mhm. en fait. Quelque chose où on sait que très rapidement, parce que là, c'est une école, l'école est fermée. Mhm. L'année scolaire, de toutes les manières, a pris fin. Ou bien, et on passe. Il a parlé d'une prolongation au niveau des centres de regroupement et euh, de revoir un peu les emplois et rajouter des heures euh, de cours. Oui, il faut Au niveau du primaire, il a dit qu'il faut favoriser les mathématiques et la lecture. Mais moi, je ne parle pas de ça. Mhm. Je parle de l'année prochaine. Je parle de la situation de l'année prochaine. Parce que là, déjà, nous savons que c'est déjà fini, de toutes les manières. Mais l'année prochaine, qu'est-ce que l'État compte faire pour que ses élèves puissent retourner à l'école Et vous avez vu, l'insécurité ne fait que grandir au niveau de ces zones-là, surtout la région de Tilabéry. Mais c'est ça l'inquiétude. Et bon, si aujourd'hui il a tenté d'expliquer les choses, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde aussi. Hmm. Et on, mais on peut quand même dire euh, <laughs> à, l'opinion nationale que l'État, de toutes les manières, est en train de travailler hmm. pour sécuriser la zone, pour que ces enseignants se retrouvent. Mais maintenant, c'est l'avis aussi des syndicats qui compte. Hmm. Est-ce que les syndicats de l'éducation sont également satisfaits de l'interprétation du mhm. ministre devant euh, l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a toujours des interrogations. Il y a toujours des interrogations en fait qui mhm. restent et qui, mhm. dont l'opinion nationale a besoin de connaître. C'est ça. Il y a des sous-entendus. Et ces sous-entendus, c'est ça en fait qui intéresse l'opinion nationale. Les chiffres, nous les connaissons déjà. Mais comment est-ce que maintenant, parce qu'on dit que parmi ces élèves, la moitié ce sont des filles. Aujourd'hui, si les filles ne partent pas à l'école, ça c'est un autre problème. Mhm. Parce que de l'autre côté, l'État crie à, la scolarisation de la jeune fille, son maintien à l'école jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Mais maintenant, est-ce que sur le terrain, on peut constater ça mhm. On ne peut pas le constater. Alors que l'éducation est un droit, merci beaucoup. S'agissant des enseignants, il faut dire qu'ils sont au nombre de 2430 enseignants qui sont au niveau de ces écoles fermées ils sont immédiatement redéployés dans les écoles d'accueil et dans les centres de regroupement, a expliqué le ministre en charge de l'Éducation nationale, Ousmane Sidikou. Quel est votre avis par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour euh, endiguer la déperdition scolaire je rappelle qu'il existe environ 130 centres de regroupement dont la plupart sont réalisés et opérationnels selon le ministre de l'Éducation nationale. Je dirais que euh, ces mesures allaient être beaucoup plus réalistes si elles ont été projetées pour l'année prochaine, c'est-à-dire de prendre les dispositions qui s'imposent. N'oubliez pas que euh, nous sommes, ou bien disons, nous entamons, de, nous risquons de rentrer de plein pied dans la saison pluvieuse. Et mm. vous savez aussi que la majorité, aussi bien les enseignants que ces enfants-là, ces mm. élèves-là, iront euh, vaquer aux travaux champêtres. Mm. Maintenant, de quel, à travers quel mécanisme Hein, l'État ou bien les différentes institutions vont pouvoir maintenir aussi bien ces enseignants et ces élèves-là qu'il faudrait bien qu'ils aillent aider leurs euh, parents. Et ces mêmes enseignants-là, la plupart aussi, ont des gens à cultiver, même si elles ont, ils ont été soumis de quitter les lieux. Mhm. C'est pour ça que je dis ces mesures allaient être beaucoup plus réalistes si elles ont été projetées pour l'année prochaine. Comme ça, les dispositions idoines euh, seraient prises. Mais déjà cette année, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de sauver la scolarité de ces élèves euh, Plus de 68 000. Sauver ceux qui C'est vrai, au niveau du centre, des centres même dans la région de Tilaberi, le ministre a précisé que c'était vers février qu'ils avaient commencé, alors même que l'année, euh, pour celle qui s'achève en tout cas, euh, débutait en octobre 2020. Il aurait fallu peut-être que mm. euh, de faire un bilan à mi-parcours, voir les dispositions mm-hmm. initiées par le gouvernement, où est-ce qu'elles en sont. Parce que mm-hmm. ça ne sert à rien de vouloir lister toute une batterie de mesures là, non seulement qui, à mon avis, ne sont pas réalistes, ça aurait permis vraiment de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour l'année prochaine, de revoir la copie pour qu'effectivement, ces enseignants, tout comme ces élèves-là qui sont en errance, ne puissent pas revivre cette situation. Et ce qui est dommage, nous sommes en train de célébrer la mhm. journée eh, de, de, de, l'enfant africain. Donc vraiment, nous mhm. avons pensé à ces élèves-là qui ne savent plus à quel sens se vouer, encore moins là où mettre euh, de la tête. C'est dommage, c'est déplorable. Et surtout que euh, la région de Tilaberi à elle seule tient le haut du, podium. C'est triste, mais euh, je pense que euh, les acteurs se doivent d'être aussi concertés. Est-ce que les syndicats ont été mis à contribution dans le cadre de ces redéploiements-là, quand on sait que pour beaucoup, leur doléance pour certaines, mhm. restent jusque-là insatisfaites par le gouvernement. Mais comme dirait l'autre, oui, si prions que euh, ces mesures-là mhm. puissent produire l'effet escompté, auquel cas vraiment il serait mieux de revenir euh, sur la même table avec tous les acteurs pour mhm. que, effectivement, l'année prochaine, euh, dans ces centres-là, que les dispositions soient prises pour que ces enfants-là ne puissent pas se sentir dépaysés et prendre un énorme retard par rapport à, leurs camarades d'accueil. Merci beaucoup. Justement, il faut signaler que suite à cette interpellation du ministre de l'Éducation nationale, l'Assemblée nationale a rendu publique une euh, déclaration de presse euh, mercredi. Elle a formulé une vingtaine de recommandations dont la tenue des États généraux sur l'éducation et la prise des dispositions favorables à la réouverture de ces écoles fermées dans les zones d'insécurité. Abokiari, Arimi, peut-on espérer cette réouverture euh, des écoles dans les zones d'insécurité au niveau des quatre régions du pays pour très bientôt. Au vu de ce qu'on vit dans ces zones-là, euh, au vu de l'actualité mhm. brûlante euh, hier et avant-hier, ce qui mhm. s'est passé sur l'ensemble du territoire national, je dirais, mhm. au moins deux attaques à Tilaberi, une attaque à Difa, une attaque euh, à Agadez, ce n'est vraiment pas de nature à rassurer. Maintenant, euh, je dirais qu'il y a toujours l'espoir. Et il faut continuer à espérer. Mm-hmm. je suis il faut espérer, mais qu'est-ce qu'il faut attendre du gouvernement euh, face Moi, à mon avis, c'est les centres d'accueil mm-hmm. et les capacités d'abord les centres où les déplacés sont hébergés, les mm. camps euh, de réfugiés, là où il y en a, les camps de déplacés, mm-hmm. mais aussi les écoles des grands centres de ces régions-là. Les capacités de ces écoles doivent être euh, revues. Mm-hmm. malheureusement, euh, on le sait, même à Niamey, les classes sont bondées. Mm-hmm. des classes déjà de 70, de 70 ou 80 élèves. Euh, je ne sais pas s'il y a possibilité pour l'instant d'accueillir. Mhm. Mais il euh, faut au passage saluer vraiment ces députés parce que ça, c'est une des questions. L'éducation, c'est l'une des questions cruciales mhm. à part, à part la tuerie qui a cours et à, à, part le problème vraiment d'alimentation que les populations en ont. Mhm. C'est crucial. Imaginez qu'un enfant n'est-ce pas, aussi intelligent soit-il, peut-être qu'une fois qu'il quitte son terroir, peut-être que c'est fini pour lui et mhm. l'école. Or, on a vu de par le monde entier, on a vu en Irak, on a vu en Syrie euh, récemment, que quelle que soit la situation, j'ai vu des gens essayer de continuer à enseigner les enfants au sous-sol. Comme quoi, c'est extrêmement important. Euh, moi, au-delà du problème de natalité et autres que le gouvernement pose, je pense que le problème véritable, crucial qui se pose pour les enfants de ce pays, c'est sincèrement l'école. Mhm. Et je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on peut vraiment nous déployer au Niger pour pouvoir régler ce problème. Sinon, tous nos problèmes, et aujourd'hui et demain, resteront entiers. Mhm. Et donc, je pense que il y a lieu que le gouvernement tienne ces promesses-là. Évidemment, c'est plus réaliste de dire que c'est à la rentrée prochaine. Oui, on aura sacrifié déjà une bonne partie de ces 68 000-là, il ne faut pas se leurrer, mhm. mais on ne le souhaite pas. Rien ne nous dit que le déplacement des populations euh, est fini mhm. et il faut prévenir. Il faut d'abord vraiment savoir que s'il y a une population qui se déplace, par le fait ou du gouvernement, parce qu'il y en a eu à Difa, on a demandé à toute une population de quitter euh, des îles, des villages et tout, ou par le fait des terroristes, vraiment qu'on sache que les enfants qui vont sortir de ces, euh, qui vont venir de ces localités-là, mhm. où est-ce qu'ils seront casés, dans quelle école ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont manger. C'est extrêmement important et je pense que, euh, en tout cas, L'espoir est permis quand il y a un député qui est capable de prévoir, de voir ce problème et de le poser, parce que c'est rare. C'est rare, extrêmement rare. Euh, C'était le député Idiango Ousmane. Et je pense qu'il a mhm. vraiment été visionnaire et c'est ce qu'on demande à nos députés. Merci beaucoup. Il faut donc euh, des actions concrètes et urgentes. Euh, c'est ce que les trois, en tout cas, confrères pensent. Parlons environnement à présent et c'est pour parler de ce forum national de deux jours organisé du 13 euh, au 14 juin 2022 à Niamey sur le thème problématique euh, des feux de brousse au Niger. Quelle stratégie pour une gestion durable des écosystèmes agro-silvo-pastoraux au Niger. Mais Mungado, pourquoi un tel euh, forum national pourquoi un tel euh, forum national C'est que euh, on sait que euh, chaque année, mhm. chaque année, nous assistons à des feux de brousse. pratiquement vers dans les régions de mhm. L'année passée, on a assisté à ça. Et je pense que c'est vraiment le moment de poser le problème et de trouver des solutions mhm. avant même qu'on atteigne c'est euh, les moments propices mhm. pour les feux de brousse. Donc, euh, on l'a toujours dit, la solution, c'est quoi C'est justement aller vers la communication. Mhm. Il faut, il faut sensibiliser les populations. Il faut les, faire comprendre que les feux de brousse, c'est pas bon, non seulement pour leur environnement. Mm. Il y a une perte de la biodiversité. Perte de la biodiversité. Perte de pâturage. Il y a beaucoup de choses, mm-hmm. en fait. Parce que parfois, c'est en vie humaine. Et mm-hmm. parfois, c'est vraiment. Ça touche aussi les ça touche animaux. Les, animaux, ça mm-hmm. touche les habitations, ça touche tout. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et je pense que c'est bien de mettre les charrues devant les bœufs pour euh, solutionner ça et attirer l'attention parce que ça peut être Tawa, ça peut être aujourd'hui, ça peut être mhm. euh, également euh, dans d'autres régions. Mhm. Et comment est-ce que qu'on arrive à ça parce que nous voyons, nous voyons quand nous regardons euh, vers les États-Unis, des fois les feux de brousse, ce que ça fait, hein. les forêts, les conséquences, ce que mhm. ça fait. Donc nous, on aimerait vraiment circonscrire les choses, essayer de circonscrire ce phénomène en trouvant des solutions en trouvant des solutions. Et je pense que les acteurs dont ça, ça concerne, tous mhm. les acteurs étaient présents à ce forum. Mhm. Et je pense que bon, ça, il y aura des solutions. si si, si, euh, ils se sont euh, retrouvés, c'est pour trouver des solutions. Certainement qu'ils ont trouvé des solutions. Mhm. Mais l'un dans l'autre, c'est mieux, comme je l'ai dit, de passer par la communication. Merci beaucoup. Il faut passer par la communication. C'est vrai, les feux de pousse, on peut dire que ça concerne tout le pays, mais dans les régions de Tawa, Maradi, Zander et Agadez, bien sûr, il y a lieu d'appeler cette zone euh, triangle du feu selon euh, la ministre en charge euh, de la lutte contre la désertification, la ministre de l'Environnement. Donc, Ousmane Sidikou, quels sont aujourd'hui les résultats de ce forum, s'il faut parler de résultats Bon, euh, dans un premier temps, parler euh, ipso facto après la tenue de ce mhm. cadre d'échange de résultats, ce serait à mon avis aller beaucoup plus euh, mhm. en besogne. Mais ce qu'il faudrait saluer, c'est que honnêtement, le jeu en valait vraiment la chandelle mhm. de la tenue opportunément d'une telle rencontre, c'est-à-dire d'avoir créé le cadre, d'en inviter tous les acteurs. Euh, à travers la création de ce cadre, vraiment, euh, il y a eu des partages, mhm. des échanges, des partages d'expériences de part et d'autre, mhm. avec euh, ce que vous avez appelé la triangle, le triangle, le de, triangle feu. de, feu. Mais mhm. vraiment, entre autres recommandations, ce que j'ai beaucoup aimé, il suffit pas de faire des recommandations maintenant, c'est la matérialisation de ces recommandations-là, notamment vraiment la création de ces brigades de feu-là, comme ils aiment les appeler, mhm. non seulement les créer, mais les doter de moyens. Aujourd'hui, mhm. ça ne sert à rien de créer une brigade de feu et qu'avec la survenue, on ne le souhaite pas, d'un feu de brousse, euh, que cette brigade ne puisse pas être à même de maîtriser ce feu. Mhm. Ça, c'est un. De deux, euh, c'est vraiment euh, de les créer et de sensibiliser. À l'instant, Maïmoun en a parlé. Moi, je dirais, euh, je cible à cet effet vraiment euh, de, de les jeunes et les femmes. Mm. Je ne dis pas qu'ils sont à l'origine, mais vraiment, si on met l'accent sur leur sensibilisation à travers une communication vraiment euh, efficace, mm. moi, je pense que, à défaut de de les éradiquer, de les éradiquer, on peut les en atténuer. Donc, mm. vraiment, je salue la création de ce cadre et donc, il faudrait que vraiment, euh, j'ai entendu les recommandations et vraiment la création, je suis parfaitement d'avis eh, pour que non seulement ces brigades de feu-là soient créées, mais mm. qu'elles soient dotées eh, de moyens et ce vraiment à, tous les niveaux. Donc il faut vraiment que les acteurs, tout le monde soit impliqué et moi je pense ainsi avec la sensibilisation aidant, on pourrait vraiment tendre à une atténuation de ces feux de brousse là qui ne sont pas sans conséquences sur plusieurs euh, euh, aspects. Mm-hmm. Selon le ministère de l'Environnement, de 2010 à 2021, 1273 cas de feux de brousse ont été enregistrés au Niger, occasionnant plus de 1,5 million d'hectares de pâturage consumés. On note également parfois des pertes en vies humaines. Il y a aussi des dommages sur les infrastructures, mais également des animaux qui en meurent. Abkiari Arimi, que peut faire le gouvernement pour euh, réussir euh, dans cette lutte euh, contre les feux de brousse au Niger D'abord, hein, il faut préciser que au Niger, on a l'habitude de dire que l'agriculture et l'élevage mhm. constituent vraiment les deux mamelles de notre économie. nationale. Eh bien, je crois que la plus grosse mamelle, c'est l'élevage. Mhm. Et sans pâturage, il n'y a pas d'élevage. Euh, il faut nécessairement attirer l'attention euh, des populations mhm. euh, pour un changement de comportement. Quand on était petit, il y avait des gens spécialisés pour déclencher même les le feu de brousse, c'est-à-dire ou pour que le couvert change, ou parce que c'est leur tradition, mhm. tout ça. Aujourd'hui, un seul mètre carré de pâturage qui brûle, c'est vraiment une perte pour nous. Mhm. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que on, fait, euh, on est dans un pays qui fait face chaque année à des conflits qui opposent éleveurs et agriculteurs. Mhm. Ça, c'est parce que le couvert euh, végétal ne suffit pas. Mhm l'éleveur, il faut bien qu'il fasse euh, manger ses animaux. Il y a la euh, dégradation de l'environnement. Nous avons 100 000 hectares euh, de terres terre arable chaque année. C'est extrêmement grave. Mhm. Donc c'est pourquoi c'est pour un changement de comportement qu'il faut vraiment œuvrer. Ce n'est pas du châtiment, ce n'est pas de violence que les gens ont besoin, mhm. c'est de sensibiliser. Et c'est bien de faire un forum en mhm. mais maintenant, il faut que les résultats là amène les porteurs de ce projet vers la population à laquelle il faut expliquer vraiment mhm. euh, tous, les enjeux, autour de notre environnement. Mhm. C'est-à-dire, tous ces problèmes que nous rencontrons, nous restons vraiment encore sur nos terres, nous restons encore dans notre pays parce que nous avons une agriculture qui est encore possible, mhm. parce qu'il y a de l'élevage, puisque tout le monde est aujourd'hui devenu Mhm. Et donc, vraiment, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il ne faut pas qu'on détruise notre environnement. Après, c'est pire que la guerre souvent. Mhm. La guerre, ça peut se calmer et on peut revenir sur la, terre. Mais quand la terre elle-même, elle ne donne plus rien, mhm. quand elle est dégradée définitivement, il faut tout simplement s'en aller. Où on a un pays de 1 million et quelques, mais on se permet de faire des choses comme ça. Je crois qu'il faut combattre mais de la façon vraiment la plus moderne, la façon la plus soft, aller expliquer aux populations que nous avons intérêt, développer aussi vraiment la mise en valeur de ces terres là parce que quelqu'un qui, qui, met du feu, c'est qu'il ne connaît pas encore l'importance, la valeur de Parfois aussi, c'est par négligence. C'est par négligence, on pose du thé, on s'en va. jette euh, ou une, euh, de la fumée de cigarette, ça, ça, tombe. Et voilà, Donc, il faut nécessairement d'abord connaître les causes. Et j'espère qu'un forum même si nous n'avons pas participé, bon, ceux qui ont participé mhm. connaissent les causes profondes vraiment de qui mhm. déclenchent jusqu'à 1000 euh, foyers euh, en quelques 4 mhm. ans. C'est énorme, c'est Merci, Merci beaucoup. Autre aspect donc euh, de ce forum euh, de la presse euh, de ce soir, le premier vol spécial des Mandiens nigériens rapatriés du Ghana a atterri à Niamey le 8 juin avec à son bord 562 personnes dont près de 350 mineurs. Mais Diado, quel sentiment un citoyen nigérien peut avoir lorsqu'il apprend une telle information le sentiment, c'est d'abord un sentiment de désolation. Mhm. Parce que on ne peut pas comprendre, euh, après le Sénégal, mhm. où des Nigériens supposés être des mendiants. Mhm. C'était en mars dernier, plus de 1000 plus de 1000 qui avaient été rapatriés. Et maintenant, c'est le tour du Ghana. Ça, c'est le premier vol. Et on attend un autre. On attend un autre vol. Mais maintenant, après le Ghana, ce sera quel pays C'est ça. C'est comme si c'est une épidémie, en fait, qui est là. Je suis sûre qu'ils sont pas, ils n'ont pas voulu être des mendiants mhm. comme ça. Vous trouvez ça péjoratif hein? Oui. Mhm. Et je pense qu'il faut aller à la racine. Mhm. Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que ces Nigériens se transportent pour aller dans un pays être des mendiants C'est parce que dans leur pays, il y a la malgouvernance. Et c'est les conséquences de la malgouvernance aujourd'hui. Parce qu'un pays qui, de surcroît, a des richesses naturelles, un pays qui, on ne dit pas pauvre, parce que le mhm. Niger n'est pas un pays pauvre. Moi, je mhm. me dis que c'est seulement la répartition mhm. euh, de ces ressources naturelles qui ne sont pas bien reparties entre les Nigériens. Aujourd'hui, le fait qu'ils se transportent pour aller là-bas, c'est parce qu'ils ne sont pas en situation de sécurité dans leur propre pays. Ils sont devenus des mendiants. Ils n'ont pas voulu être des mendiants. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice sociale. Il ne faut, il faut, pas se cacher la face. Quelqu'un mange bien, l'autre ne mange pas. Aujourd'hui, pour un Nigérien lambda, il est difficile d'avoir les trois repas. Très difficile. Avec cette situation de charité, avec euh, cette situation d'insécurité, avec la crise alimentaire, puisque c'est le phénomène. Nous sommes dans euh, cette situation. Déjà, il y a des zones où aujourd'hui il n'y a plus de terre cultivable. On voit qu'il y a des difficultés, mais est-ce qu'il n'y a pas d'alternative Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement en travaillant Parce que là, ce que, certains disent, l'idée qui est répandue ici, c'est qu'il faut sauver l'honneur de la République mais sauver, mm-hmm. c'est ce que je suis en train de dire. Pour mm-hmm. sauver l'honneur de la République, mais il faut aller vers la bonne gouvernance. Mm-hmm. C'est parce qu'il n'y a pas cette bonne gouvernance. Il y a de l'injustice entre les Nigériens. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je, suis en train de dire que ces Nigériens-là, ils n'ont pas voulu être des mendiants. Ils n'ont pas voulu être des mendiants. Mais quand dans ton propre pays, tu ne peux pas manger à ta faim, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas, tu n'es pas en sécurité, mais tu cherches ailleurs. On ne connaît pas, on ne connaissait pas avant cette situation. Mm. Avant, les Nigériens se transportaient. C'était juste pour aller travailler, chercher de quoi ramener à la maison. Les trois mois après euh, les travaux champêtres, ou revenir pour les travaux champêtres. Mm-hmm. C'était comme ça, c'était vraiment euh, la migration, cette migration-là. Mais aujourd'hui, mm. on a dépassé le cap. Mm. Parce que quand vous tendez le micro à ces Mandiens ils vous disent tout simplement que au Niger, nous, on n'a rien à faire. Euh, au, Niger, on n'a pas suffisamment de terres cultivables. Ces populations-là, aujourd'hui, ils ont tellement morcelé. L'État a tellement morcelé les champs de ces, de, ces, de ces ce qu'il faut encourager le gouvernement à continuer ce rapatriement de ses concitoyens Mandiens à l'étranger ou qu'est-ce que vous en pensez la question. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas encourager, je ne peux pas dire que je suis, je vais encourager le gouvernement par rapport à ça. Mhm. Et je ne vais pas dire également que je vais encourager ces Nigériens mhm. à mendier, à rester dans d'autres pays. Mhm. Mais pour encourager le gouvernement, il faut que quand le gouvernement ramène ces mm. Nigériens mendiants au Berkaï, il faut qu'il y ait un suivi mm-hmm. de ce rapatriement. Il faut trouver quelque chose, les moyens, les mesures d'accompagnement pour ces familles. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ousmane Sidoukou, ces mesures euh, d'accompagnement euh, qu'il faut faire suivre normalement, euh, comme elle dit, est-ce que vous en avez entendu parler sur le terrain Est-ce que le gouvernement fait quelque chose à ces mendiants rapatriés Bon, ce que le gouvernement a fait, c'est ce qu'il avait fait, à savoir le rapatriement de façon expéditive. Mhm. Certes, vraiment, il n'y a aucune fierté de voir les compatriotes aller tendre la main avec euh, tous les risques auxquels ils sont exposés, notamment mm-hmm. les femmes et les filles. Mm-hmm. Mais euh, je dirais que euh, moi, je pense que le gouvernement doit revoir sa copie. C'est bien beau de vouloir rapatrier ces, ces gens-là de crainte de voir l'honneur entaché de la République, mm-hmm. mais ça allait être beau davantage si les conditions sont créées ici, non seulement pour les maintenir et les occuper. Les occuper. Je n'excuse nullement pas le fait d'aller tendre indéfiniment la main, mais il faudrait que les conditions soient créées ici pour pouvoir les maintenir et les occuper. À cet effet, il ne faut pas trop attendre ou bien tout attendre du gouvernement. Moi, je l'ai dit quand euh, il y avait eu le rapatriement de nos compatriotes là du Sénégal. Mm. Euh, ces gens-là, euh, pour beaucoup, on sait de quelle localité ils y sont. C'est de mettre à de la région de Zander. Donc il fallait mettre à contribution, mhm. à contribution les leaders religieux, les leaders coutumiers, les autorités. Il faut donc sensibiliser. Mais Ousmane sensibiliser quelle image euh, du Niger cette pratique euh, de la mendicité donne à l'intérieur et hors de nos frontières Aujourd'hui, en tant que Nigérien, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mmh. Parce que imaginez sur euh, ce à quoi euh, ils sont exposés. Aujourd'hui, euh, ce ne serait pas gai, ce ne serait pas vraiment réjouissant quand vous allez à l'extérieur et qu'on dise, ben, écoutez, même mmh. si c'est dit sur un ton plaisantant, et eh ben, écoutez, vous, vous, compatriotes à la mmh. limite, ils nous harcèlent, il n'y a aucune fierté. Au Sénégal d'ailleurs, on a vu que ce sont des citoyens nigériens qui avaient encouragé ce rapatriement. Justement, parce qu'il n'y a pas de fierté, c'est-à-dire ça, ça, vraiment ça froisse comme dire l'autre la dignité. Mais mhm. c'est ce que j'ai dit, il faut mettre à contribution les leaders les religieux coutumés, l'autorité. Vraiment, il faudrait que euh, ces gens-là créent le cadre identifier vraiment euh, ces gens-là et créer les conditions, non seulement pour leur rapatriement, d'accord, donc peut-être l'État peut prendre le devant, mais il faudrait qu'une fois au pays, une fois rapatriés dans leur euh, localité mhm. respective, que les conditions soient créées pour qu'ils soient occupés, pour qu'ils soient maintenus. Parce que je suis sûr que euh, ce n'est pas de gaieté de cœur euh, qu'ils sont partis sous d'autres cieux en quête de leur pitance quotidienne. On dit, un euh, adage de chez moi qui dit que si tu vois quelque chose euh, vraiment, si tu vois que la souris est euh, rentrée dans le trou, hmm. mets-toi en tête que ce qu'il fuit là est plus, que ce qu'elle va hmm. aller trouver dans le trou. Donc vraiment, il faut que les conditions hmm. soient créées, il faut ratisser l'âge en mettant tout le monde en contribution pour que ces gens-là soient occupés, certainement occupés en subvenant à leurs besoins. Je suis sûr qu'eux-mêmes ne seront pas tentés. Merci Ousmane Sideko. C'est vrai, c'est une grande problématique qui est là. Abakari la question même de la mendicité au plan juridique, il faut dire que dans beaucoup de pays, c'est souvent des infractions qu'on a, même quand on parle même au Niger, bien sûr, le code pénal en parle. La question du trafic des enfants, c'est encore une infraction à la loi pénale. La question du vagabondage, qu'on prenne quelqu'un qu'on ne sache pas chez lui, c'est où, dans beaucoup de cieux, c'est des infractions. Et souvent, bon, quand c'est pas un citoyen, l'État a des difficultés à tolérer ce genre de choses choses. Ce fait qu'il y a parfois même des brimades, des humiliations et tout ça. Est-ce qu'un jour, on peut arriver à vaincre euh, toutes ces pratiques et dire euh, que on va bannir à jamais, par exemple, la question de la mendicité et dire que plus jamais ça, un Nigérien, un, trouver un Nigérien qui mendie à l'extérieur. Mhm. Euh, C'est possible. C'est hein. possible J'ai pris un exemple dans ce même studio une fois, mhm. sans citer le nom du pays, mhm. un pays de la sous-région dont les ressortissantes mhm. étaient spécialisées pour être euh, pour pratiquer vraiment le plus vieux métier du monde, mhm. ici à Niamey particulièrement, mhm. et presque dans tous les grands centres du Niger. Aujourd'hui, elles auraient disparu. Parce que tout simplement, je conclus que dans leur pays, ça va mieux. Autrement dit, euh, tout le monde se foutait d'eux. On disait tous euh, sista, sista, des trucs comme ça. Mhm. C'était péjoratif et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est très choquant. Mhm. Parce que nos compatriotes, oui, euh, ne se sont pas mis dans ça, mais peut-être qu'ils en font pire, mhm. tendre la main. Ce problème, il faut savoir d'où est-ce que ça vient. Puisque il y a quelques années, les Nigériens étaient reconnus pour ne même pas être parmi ceux qui partent en exode, ou en migration, notamment en Afrique du Nord. Mhm. Oui, il y a une petite tradition des gens qui partaient en Libye ou alors dans les pays côtiers, mhm. mais comme Maïmouna l'a dit, c'était vraiment pendant la période euh, après, après, la culture. Oui, et ça, ce n'est pas nécessairement la quête même de l'argent qui amenait les gens. Mhm. Non, il faut voyager. Il faut aller voir ce qui mhm. se passe ailleurs. Parce que. C'était comme une, certaine civilisation. Il y a, une, un adage. La va en Un, homme riche qui empêchait à ses enfants de partir. Mhm. Euh, chez nous, de Gouré jusqu'à Difa, à l'époque, les filles chantaient. Et donc, en chantant, les filles disent Oui, tu peux acheter tout ce qu'on amène de l'extérieur à ton enfant. Mhm. Les couvertures, les blousons et mhm. tout. Mais la langue de l'étranger, tu ne peux pas lui payer ça. Mhm. Et donc, c'est pour inciter à chacun, chacun à aller voir ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, les gens vont tout simplement à la recherche de leur pitance. Et comment En tendant la main. Or, on est dans un pays, je connais une localité où même ton voisin, même si tu sais qu'il ne va pas manger cette nuit-là, si tu lui envoies à manger, il va te demander pour qui tu le prends, pourquoi tu vas lui envoyer à manger. C'est des ressortissants de ce pays. Il qui nous reste euh, seulement une poignée de minutes. Ça veut dire faut une prise pour de hein, conscience pour, arriver à bannir euh, ces pratiques. Dans la suite de Maimouna, mhm. je dirais qu'on est dans un pays où plus de 60% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Mhm. C'est-à-dire moins de 1 dollar par habitant par. Oui. N'est-ce pas mhm. Comment vivre de ça Mais dans ce même pays, il y en a qui ont détourné 1 milliard. Mhm. Ce n'est pas un crime, c'est un génocide. ils sont responsables de génocide. Donc le problème de gouvernance, tant qu'on ne le règle pas, tant que le hmm. les, les, différences, les différences intercommunautaires selon les régions, selon les localités, ne sont pas connues et prises en charge hmm. par nos gouvernants. Hmm. On parle de cantier. J'ai dit que c'est. Il y a un maire qui m'a dit que dans sa commune, c'est 200 habitants au kilomètre carré. La moyenne au Niger, c'est 13%. Il y a des zones où c'est 7, 7, euh, habitants au kilomètre carré. Il y a des zones, la moyenne c'est 13 habitants au kilomètre carré. 200 donc la terre que tes arrière-parents l'ont laissée ne te peut pas les Tu ne peux plus les travailler. Oui. Si tu dois manger mm. de ça, ça veut dire que tu dois travailler toute l'année. Et parfois, c'est dégradé tu ne travailles que sous la pluie. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement écoutez, il faut, renforcer la gouvernance, la mhm. gouvernance, l'améliorer vraiment, mhm. structurer, combattre jusqu'au dernier vraiment mètre carré vraiment la corruption. Et ça veut dire qu'on pourra euh, bannir à jamais cette oui, pratique. Mais euh, aussi, l'école, on en a parlé. À l'intérieur, à l'extérieur. Beaucoup de ces familles, de ces gens qui partent là, ils n'ont personne qui qui, leur, qui, leur, vient en aide. Mhm. N'est-ce pas Tout ça, c'est des problèmes à régler. On est dans un pays où un concours, on ne peut plus l'organiser correctement. Il y a toujours un scandale autour. Mhm. Mais comment se fait-il que des gens... y a des gens qui veulent placer ah, des personnes... Mauvaise, oui, mhm. oui c'est le mérite le plus respecté. Merci. Il faut être fils d'eux. Voilà ça ne peut pas marcher. Il ne faut donc pas jeter l'anathème sur cette personne'' Non, non ce, n'est qu'une conséquence. C'est vraiment une, conséquence. Ce n'est pas un fait. Merci La conséquence de notre comportement de tous les jours qui amène. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes euh, bien compris. Terminons le forum de la presse euh, de ce soir euh, avec du sport. Et heureusement, nous avons aussi des jeunes qui font honneur à la République. En effet, Amina Seyni, l'athlète nigérienne, a remporté dimanche la médaille d'or sur les 200 mètres au 22e championnat d'Afrique d'athlétisme qui s'est déroulé du 8 euh, au 12 juin dernier à Nîmes, Maurice. Amina Seyni, il faut rappeler qu'elle est par ailleurs vice-championne sur les 100 mètres elle continue ainsi à donner de la joie et une grande fierté à tous les Nigériens et les messages de félicitations à son égard sont très nombreux cette semaine sur la toile. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a également salué sa bravoure et adressé ses félicitations à tout le peuple nigérien quelle réaction par rapport à cette euh, prouesse euh, d'Amina Est-ce que vous êtes étonné, surprise de voir une jeune fille de 25 ans euh, courir si vite <laughs> qu'on l'a vue En fait, quand je l'ai vue la première fois sur les antennes donc, de télé mm j'ai su que c'est une fille qui promet. Mhm. Parce que elle avait le courage, mhm. l'engagement en elle, et elle croyait en ce qu'elle faisait. Et je pense que si elle est arrivée aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, elle s'est donnée à fond. Mhm. C'est pas parce que c'est une fille que ça doit, <laughs> ça doit me susciter euh, cette réaction. des Elle a su surmonter les difficultés. Elle a mhm. su surmonter combien de fois elle est tombée, elle s'est relevée. Donc, elle croyait réellement ce qu'elle faisait et elle voulait que, de par son image, à travers son image, que le Niger soit connu ailleurs, que l'hymne national, comme elle l'a dit, puisse retentir. Et c'est une fierté pour la première fois au Niger qu'une fille très jeune puisse en tout cas être aujourd'hui euh, la vedette international euh, dans sa catégorie, mhm. dans sa discipline et sa catégorie de, euh, de remporter en tout cas une médaille d'or. Et je pense qu'elle euh, peut faire mieux si l'État s'y met et si l'État l'accompagne. Merci beaucoup, Maïmoun Diado. Il faut dire donc qu'elle a eu en tout cas un palmarès très important. On l'a vu quand elle a fait la course pour les 100 mètres, c'était en seulement 11 secondes. Ça veut dire qu'elle arrive à faire en moyenne 10 mètres en une seconde. C'est extraordinaire, 10 mètres en une seconde. Pas te voir courir à, côté d'elle. <laughs> Oui, Ousmane coup. Au passage, vraiment, je mhm. salue et vraiment M. Euh, Monsieur Jérôme et Monsieur euh, son coach euh, Abdoulaye Ousmane que je connais mhm. parfaitement. Donc vraiment, félicitations à eux. Il faut Maintenant, donc féliciter toute l'équipe. Toute l'équipe. Le président vraiment, de la République a eu à le dire. Ceux qui ont travaillé bien avant. Il a compris que... vraiment il y a eu du travail. Donc vraiment, aux instances de mettre le patin et de mhm. l'accompagner véritablement, euh, surtout au plus haut niveau. Mhm. Ah, Abba qui un mot pour terminer par rapport à cette. Euh, euh, je rappelle que vous êtes journaliste sportif. oui, mhm. justement, c'est important. ce qu'il faut dire, c'est que cette fille a été récalée de sa participation au dernier JO pour des raisons que, qui ne tenaient pas. les Nigériens doivent comprendre que c'est un enjeu d'être à ce niveau-là elle a atteint ce niveau. Ça il faut la soutenir. Mhm. Le Niger, y compris le premier responsable qui a fait ce communiqué, euh, son, qui a, qui a tweeté, mhm. n'est-ce pas, doit l'accompagner mhm. pour qu'elle participe aux prochaines JO. C'est extrêmement important. Le sport, c'est le meilleur ambassadeur, on a l'habitude de dire. eh bien, on a une ambassadrice qu'on doit pousser jusqu'au bout. Mais aussi, il faut la soutenir il faut voir quand une Ivoirienne ou une Malienne mhm. ou une Sud-Africaine remporte ce même prix, ce que son pays lui fait. Mhm. On doit lui faire. Mhm. Félicitations donc à cette euh, compatriote euh, Amina Seini. Et chers auditeurs et téléspectateurs des programmes euh, du studio Kalango, nous sommes au terme de ce forum de la presse de ce soir. Merci à nos invités, Ousmane Sidikou, Kiari Arimi journaliste à la radio alternative, et Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante euh, également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba et Seine Isaka. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.